Amadou Sédou à Akap Mourna, nous pensons que le à plaisanterie est une valeur culturelle positive qu'il faut entretenir et pérenniser. ONEP e 9 août 2019. Spread the Love. Célèbre humoriste nigérien Amadou dit Nourou Walam est aussi, comédien, acteur, compositeur, agent de publicité. Ce comédien hors pair, qui a étudié le droit, se met bien dans la peau de tout personnage dont il veut incarner. Habillement, voix, accent, traits caractéristiques, scarification, cicatrices, coiffure, aucun détail n'échappe au talentueux et inimitable acteur qu'est Amadou Sedounourou. Ainsi, il interprète, à merveille, différents rôles, Boncano, Noura, Madame Noura, Yeni Boy, Dan Felani, André Salifou, Sanoussi Jacao, etc. Même les chefs d'État ne sont pas à l'abri du jeu de rôle. Nourou qui joue volontiers le rôle de Barré, de Mayaman Ousmane, de Mayamadou Issoufou, de Ama Amadou, de Saini Kounché, etc. Après avoir refusé des interviews à plusieurs médias qui l'ont sollicité, Amadou Nourou a, en exclusivité, accepté de répondre humblement et avec beaucoup de sagesse et de philosophie à nos questions. Dites-nous qui est Amadou Sedou Nourou. Je m'appelle Amadou Sedou Nourou. Je suis artiste et chef d'entreprise. Nigérien, 51 ans marié à une très belle Guinéenne, que j'aime beaucoup et père de sept adorables enfants, six filles et un garçon. Vous êtes, en même temps, humoriste, comédien, acteur, compositeur, agent de publicité, comment êtes-vous venu à tout cela, en même temps Enfant déjà, il me plaisait de plaisanter, de faire rire les gens en vue de détendre l'atmosphère. Et aussi imiter des personnes qui ont une démarche, un accent ou un accoutrement particulier dans le strict respect de leur personne et leur dignité. Le reste n'est qu'une question d'enchaînement. Pour moi, on peut traiter des questions les plus sérieuses dans la détente, le rire. Car vaut mieux faire rire les gens que de les faire pleurer. D'ailleurs, telle est ma devise. A travers vos prestations, on constate une certaine aisance dans l'inspiration, la création et l'interprétation. D'où vous vient cette aisance, cette assurance Si j'ai une certaine assurance, c'est uniquement par le travail. Je dors peu, juste le strict minimum. Je travaille beaucoup eh, en observant, en exerçant continuellement. Nata inda ni shinuwa ne ka mun haka. Kai kamar shinuwa ka gama siwa inda za a ga ka a cinye ko gishiri babu. Ibn shiru ce. ina magana kana magana ko ta kake nima jiki ne dan iska matsiyaci dan hasada jaki ne kake ma hoda haka an mushi hoda an mushi hoda ka sa abin da yayi sai ka la ilaha illallah wannan jakin da kake gani ba jakin arziki bane dan hasada ne ba na wasa ba salula ta ya kama ya tamne ya hade ya dora harawa ya dora ruwa a lokacin da move ta bude ta na alfarma falala iri iri ya raba da salula ah lalle ya ni zai ma bakin ciki ni inda ni ne sai ma na ni ni tambayi garba haruna ni da na mari komi. na rantsi da Allah sosai sosai gabana gabana akai gabana akai kai ka ce move africa move africa mai kyauta tana kari. wata sabuwar alfarma ce ta samo muna kuma kai yanzu kenan salula ta da aka tamne aka gama da harawa aka cinye aka ɗora ruwa bai dame ka ba a'a ah, ah, wallahi ina jaje amma mu samu albishikin ta arme de distraction massive, selon le mot du célèbre comédien franco-maghrébin Jamel Debbouze, vous retrouvez-vous dans cette qualification Une arme de distraction massive, je n'ai pas cette prétention, mais j'aimerais bien. Et je remercie ceux qui voient en moi une arme de distraction massive. En tout cas, c'est mieux qu'être une arme de destruction massive. Une arme de distraction massive construit le monde, renforce les liens. Et même la santé, c'est ce qu'on dit. Une arme de distraction ko ba gaskiya ba masu tebur ba ku iya sa kiredin dala 20 amma kuna iya cin naman dala 30 mu ba Afirka Niger ba et mance da kowa ba eh da dala 20 kana da kyautar minti 20 na kiran kowane rezo har da karin sakon ka kwana wato la distraction et à la sensibilisation est un hasard En associant le coussinige à plaisanterie à la publicité, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Tous les Nigériens sont cousins, comme dirait l'autre. Je suis sonré de par mon père, et peul de par ma mère ce qui fait que je suis cousin à tout le monde. Si tu m'échappes d'un côté, je te rattrape de l'autre. À travers le coussinige, on peut se dire tout, sans que cela tourne au vinaigre. Je pense que le coussinige à plaisanterie est une chance pour notre pays. Nous devons cultiver cette valeur culturelle régulatrice pour renforcer la paix et la cohésion dans notre communauté. Et certaines façons de peindre et d'imiter son cousin font rire. Dans ce rire, je profite pour faire passer mon message il y a toujours l'enfant en l'homme. Ce qui fait qu'il apprend mieux et vite dans de bonnes dispositions d'esprit, autrement en jouant et en riant. Mais pas dans un esprit constipé. Ce n'est donc pas un hasard, mais c'est bien réfléchi. C'est pourquoi je remercie beaucoup mes aînés dans le domaine qui m'ont fortement encouragé et conseillé dans ce sens. À travers plusieurs de vos prestations, on sent se dégager un Ourou ambassadeur de la paix. Pourquoi le choix d'un tel combat en tant que citoyen, chacun de nous doit avoir un idéal, celui d'un Niger paisible et uni, radieux et prospère. Sans la paix, la vie est amère, quand elle n'est tout simplement pas écourtée. Chacun a son rôle à y jouer. J'essaie de jouer à travers mes prestations, en tant qu'artiste, ma petite partition, si modeste soit-elle. Parlez-nous maintenant de votre agence de communication et d'action publicitaire, à Cap Mourna. Tout est parti de la troupe, Mourna, que j'ai créée sur le campus universitaire avec le soutien de certains camarades, comme Feu Maman Moutari Di Georges, Maria Manano, Sadatou Boubakar, Abdoulaye Maman Ousmane Didoul, Boubacar Idrissa Di Flash, pour ne citer que ceux-là. Et vous aussi d'ailleurs mon cher Diallo, vous faites partie des fondateurs. Ce qui était une simple troupe animée par des camarades pour détendre l'atmosphère dans le contexte crispé des années 90 est devenue une agence de communication et d'action publicitaire, à Mourna, dont l'essentiel des activités est axé sur la publicité et la sensibilisation théâtralisée activités à travers lesquelles nous avons fait nos preuves et qui nous ont permis de créer un faisceau de relations très étendues, relations que nous avons su fidéliser jusqu'ici, ah, l'État, les ah, projets, les ONG, les bah opérateurs économiques, des ambassades et même ah, certains démembrements du système des Nations Unies nous ont fait confiance. Vous voyez bien qu'ici, bah, il y a de quoi tirer une certaine fierté. Nous avons été distingués, ACAP Mourna a reçu par deux fois le prix de la meilleure agence de publicité au Niger. Au Niger, quels sont les artistes que vous appréciez et qui vous inspirent le plus Ils sont nombreux. Je ne peux les citer au risque d'en frustrer d'autres. Mais ce qui est sûr, tous les artistes nigériens, qu'ils soient ah. acteurs de théâtre, de films, artistes musiciens, peintres, chacun là à sa façon, ah, apporte un plus dans la ah, promotion de la culture nigérienne. Chacun est une source d'inspiration. Et c'est le de rendre hommage à tous. La Renaissance n'est pas un bon mot, culturelle les autorités de notre pays. Vous savez, aucune de l'avant de temps en temps, son histoire et évaluer sa culture en vue d'un changement de mentalité adapté au contexte et aux exigences nouvelles. Ce qui nous oblige à conserver les valeurs positives de cette culture et la création de nouvelles. C'est ce que je retiens de la renaissance culturelle prônée par les autorités de la 7ème République, au premier chef le président de la République, Sami Soufou Mahamadou modernisation sociale, modernisation politique et modernisation économique sont ainsi des composantes incontournables et qui vont ensemble. Nous, à Mourna, nous sommes déjà dans la renaissance culturelle à travers la valorisation du Poussinija plaisanterie que nous considérons comme une valeur culturelle positive qu'il faut entretenir et pérenniser, car elle constitue un véritable facteur de rapprochement des communautés. Elle constitue une importante soupape de sécurité, en ce qu'elle permet, au-delà de la détente et du rire, de prévenir et de régler des conflits, à notre avis. Toujours à AKAP Mourna, nous pensons que le coussinige à plaisanterie est une valeur culturelle positive qu'il faut entretenir et pérenniser en plus. À Mourna, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Nous essayons de gagner notre vie dans l'entrepreneuriat privé. Parce que nous avons compris qu'on ne peut pas tout attendre tout de l'État. La renaissance culturelle est donc une bonne chose qui est nécessaire sinon indispensable et qu'il eût fallu créer même si elle n'existait pas. Il suffit alors tout simplement d'impliquer et de sensibiliser tout le monde. Ce n'est pas un vain mot, comme le disait un grand chef d'État africain, mais un comportement.